Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du 29 septembre 2022. Cela dit poursuite à ce matin des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale dite session budgétaire. C'était sous la présidence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Contre-induit Hama à côté Abdel Nasser cette séance plénière tenue dans la salle habituelle de l'hémicycle s'inscrit dans le cadre de la 10 e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022 dite session budgétaire. L'examen et l'adoption des projets et du calendrier des travaux étaient les seuls points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière. Après les amendements et l'adoption du dit calendrier, la séance est levée dans la prochaine date pour la présentation solennelle du projet de la loi des finances pour l'année budgétaire 2022 a été annoncée pour le 5 octobre prochain par le ministre en charge des Finances. Toujours à ce matin, ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette séance, de cette session. Le compte rendu, Sanirot. Comme prévu dans sa tradition, aujourd'hui 29 septembre 2022, s'est tenue la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de septembre 2022. Durant cette session, le président du Conseil supérieur de la communication a d'abord rappelé la journée porte ouverte organisée sur l'accès à l'information avant de revenir sur le projet d'ordre du jour. Un projet portant plusieurs points essentiels le projet d'ordre du jour de la session ordinaire au titre du mois de septembre 2022 comporte cinq points. Examen adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'août 2022. Information sur le cc Examen adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de presse. Examen adoption des rapports des commissions d'instruction. Et enfin, questions diverses. C'est pourquoi Conformément aux dispositions du Conseil supérieur de la communication, la Constitution du 25 novembre 2010 a prévu en son article 10 certains domaines dont la loi va déterminer les principes fondamentaux et les textes modificatifs subséquents. Il s'agit entre autres de proposer au pouvoir exécutif et législatif des propositions, des avis et des recommandations sur les questions relevant de sa compétence. Le Conseil supérieur de la communication donc peut délibérer sur toutes les questions intéressant la communication, notamment la qualité des activités des médias des secteurs publics et privés de la communication. C'est dans cette dynamique que le CC a mis en place un groupe de travail qui a élaboré un avant-projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la protection de la liberté de la presse. Mesdames et Messieurs les conseillers, ce projet de loi aura non seulement l'avantage de répondre à une exigence constitutionnelle mais aussi de mettre en harmonie l'essentiel des textes législatifs relevant du domaine de la presse et de l'information, comme dans beaucoup de pays membres de moi. Je vous invite donc à un examen approfondi de ce texte et d'y apporter les amendements nécessaires afin de les proposer au pouvoir exécutif. Ainsi, le président du CSC a aussi mis l'accent sur les compétences du CSC et a invité les conseillers à faire un examen minutieux des différents points inscrits à l'ordre du jour. De leur côté, la division de la protection des mineurs a démarré ce matin une série de sensibilisations à l'égard des enseignants pour contrecarrer les violences en milieu scolaire. Plus de précision avec Ibrahim Abdelkader sur les images de Abdelmouni Sensibiliser le corps professoral par rapport à des types de violences enregistrées, surtout sexuelles, pour mieux lutter contre cette dernière en milieu scolaire, tel est le but visé à travers ce cadre d'échange initié par la direction de la protection des mineurs, financé par la DICAF, qui est le centre pour gouvernance du secteur de la sécurité, un projet qui intervient également dans le renforcement de la sécurité des citoyens au moyen des services de sécurité et de justice responsable. De la direction de la sécurité publique a toujours euh, œuvré dans ce sens euh, de protection, de prévention de la, jeunesse nigérienne. À ce sens, plusieurs activités communautaires ont été organisées dans le but euh, de prendre en charge la délinquance juvénile. une phase pilote que nous avons entamée il y a quelques jours euh, au niveau de certaines écoles euh, de la ville de Niamey. Donc c'est une phase pilote. On, va, on avait pris euh, six écoles, donc au total six. Donc dans chaque, chaque commune, on a pris une école plus une école privée pour aller rencontrer cette fois-ci le corps enseignant, les enseignants, le corps de l'administration de l'école. Donc contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire les sensibilisations pour les enfants, la jeunesse, pour éviter certaines infractions à la loi pénale. On s'est dit que cette fois-ci, on va aller rencontrer les enseignants plutôt que les élèves. Pourquoi Parce que c'est une thématique qui nous euh, tient à cœur. Euh, c'est des cas que nous avons aussi enregistrés au sein de la division, des cas de violence en milieu scolaire, notamment les violences sexuelles. Donc euh, ce phénomène a attiré notre attention et on s'est dit pourquoi ne pas organiser des séances de sensibilisation pour rencontrer eh, ce, corps enseignant afin de les édifier sur ces typologies de violence sexuelle et les amener à lutter aussi contre ces violences. Ils ont un devoir moral et de contribuer à la protection de ces enfants et de ces élèves qui sont chargés d'assurer, d'accompagner dans leur éducation et aussi dans toute la vie sociale. Pour ce 29 septembre 2022, c'est le CEG2 de Niamey qui a été choisi par la division de la protection des mineurs pour mener cette sensibilisation à la grande satisfaction de ces derniers. Nous en sommes sortis vraiment édifiés et le thème est un thème d'actualité, c'est un thème très fort sur lequel il va vraiment falloir porter très loin l'attention. Parce que cette violence que les enfants vivent au quotidien, tant en milieu familial qu'en milieu scolaire, il va falloir faire quelque chose pour que cette violence soit vraiment prise en charge. Cette violence est vraiment un acte qui perturbe aujourd'hui le milieu scolaire. Les enfants, souvent nous les accueillons ici, mais quand nous les observons, nous voyons en eux justement ces traces de violence. Mais le problème, nous ne savons pas où aller pour euh, prendre en charge ces enfants. Donc euh, par rapport à ces situations, pendant les débats, nous en avons parlé, nous avons évoqué donc, la proximité des centres d'écoute pour ces enfants. Donc nous avons demandé à la division de la protection des mineurs d'essayer de voir dans quelle mesure ces enfants pourraient être pris en charge le plus tôt possible en cas de situation pareille. Les débats étaient fructueux, les uns et les autres ont émis des préoccupations, ils ont posé des questions que Madame la commissaire a bien élucidées d'ailleurs et nous la remercions pour ça. Nous remercions aussi cette collaboration et surtout la disponibilité euh, de cette direction de la protection des mineurs. À savoir aussi, de janvier à ce jour, c'est 16 cas de tentatives de viol qui ont été enregistrés, 48 cas de viol sur mineurs et 137 cas de détournement de mineurs. Nous vous proposons à présent de suivre ce reportage de Aïssa Adamou réalisé dans la région de Tilaberi sur l'importance des moyens de déplacement. Quel est ce moyen de déplacement utilisé dans cette localité Suivons plutôt. 高光。 Ces pirogues traditionnelles qui surfent au cours de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. À Tilaberi, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu de région. La traversée par pirogue est un métier de longue date en plus des personnes. Les piroguiers embarquent aussi des marchandises. to irgo de irgo dem go kene kena da kullum waran ka mu waran ka da ba sun da mu riga da na mu koi o de no irgo sambu barkan nan mo sa ko wala mun ne gine ko irga da sa ko waran ka ba mu waran ka da ba sun da mu irgo go shi kade da haro do gumo mun tere ka daro de kun montere i ka kun ko no amma amma yo ba kun ge no go fonda fo ka kade ka kade fonda o hawo ji ji je ni o imu konde wuro gado goyi go ka kate ko no ayi wo ka ge go ri go kali bu ba be mu bu so mi cindi o itinare no ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée est devenue un centre de business pour les piroguiers. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette euh, édition d'information. passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite sat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500.